Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM. Effectivement, bon, les circonstances euh, qui ont provoqué cette journée perturbante, comme vous le dites, euh, ce n'est rien d'autre que l'arbre le Gras qui était dans l'école. À un moment donné, le directeur Sadio et moi, nous étions là. Il y avait deux ou trois enfants qui étaient sous l'arbre. Alors, entre-temps, l'arbre est complètement découpée. Nous avons entendu le bruit, pap, et on a demandé aux enfants de quitter le plus rapidement possible. Mais il n'y avait pas un effet de vent. Non, non, non. Et c'est comme ça que n'est-ce pas, l'un de ses enfants a été touché et on l'a immédiatement évacué à l'hôpital par euh, l'intermédiaire de l'autre là, M. Sadio. Et l'autre, il y a une, une blessure légère au niveau de son épaule. Il s'agit de Pape Est-ce que vous voyez Voilà ce qui s'est passé réellement. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup d'enfants sous là. Ça s'est passé aux environs de 7h40 minutes. Une ou deux dont la fracture est vraiment endommagée, mais pas si grave. L'une des préoccupations majeures, c'est que ces arbres-là qui bordent le vol doivent être tout à fait Ces arbres doivent être élagués pour permettre, nest

ci bii garab bi dafa yàgg waaw vraiment ñu ngi koy santé suñu borom tamit dëgg yàlla waaw am na ay salle de classe yi nga xam ne seen bi ci kaw daf ko xaw a mokkal tuuti waaw mais loolu du mën a tere enseignement yi mën a continuer waaw waaw tey daal yi nga xam ne comme lan lu ñuy ñaan tey agent eaux et surtout ñu wàlluñu ci lan am na ay garab yi nga xam ne ñu ngi ci booru école bi xam te école bi dafa bëri ay gune parce que ëpp na six cent élèves mooy maanaam juróom benn su ko defee xale yi képp ku fiñ ñëw rek nga ñëw si ak xel bu dal loolu la ñu bëgg. Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM.